Vous savez, la girafe est venue trouver la population de Koué. Et depuis leur arrivée jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, ils l'ont accepté. Mais il ne manque pas de temps en temps des petits conflits liés à la cohabitation. La girafe, euh, la girafe, vous savez, euh, avec le changement climatique, la dégradation de son habitat, elle a changé un peu son régime alimentaire. Donc elle a commencé à goûter aux cultures vivrières et fruitières. Et ça, ça ne va pas sans, sans, sans, sans, ou bien sans, sans représailles. Parce que l'État, en cas de dégâts, ne dédommage pas. Mais à travers les interventions communautaires, donc euh, à travers les, les différents secteurs, euh, l'hydraulique, l'environnement, l'agriculture, l'État, il fait, euh, des, travaux communautaires sous forme de compensation. Mais d'une manière individuelle, jusqu'ici, on n'a pas commencé à, dédommager. Mais quand même, les réflexions sont en cours pour voir dans la mesure du possible comment on va penser vraiment à, rendre durable cette cohabitation à travers un dédommagement futur.